Hmm? Monsieur le Président, Madame le ministre Garde ministre de la Justice, Messieurs les ministres, honorables députés, chers collègues. Monsieur le Président, je tenais à prendre la parole parmi les premiers aujourd'hui parce que, comme vous le savez, je dois vous représenter en compagnie de mon collègue le président euh, Ndiaye dans un forum où on doit parler de mercénarisation et de milicianisation en Afrique, bref, de terrorisme. Ironie du sort. Aujourd'hui, on nous appelle pour essayer d'oublier l'ancien ministre de l'intérieur taxawoon qualifié ko de fait de terroriste qualifié ko de milice qualifié ko de force occulte je suis désolé madame la ministre loi bi bu tour askan wi lëndëm képp ku taxaw ni boo loi bi bëgguloo diw wala bëgg nga wala war nga askan wi war nga xoolaat sa bopp loi bi jàpp naa ni kuy réfléchir ko voter madame la ministre la ligne de force argumentaire du gouvernement de la République du Sénégal bi nga xamante ni moor yi am na lan lañ doon wax force occulte dañ leen infiltrer combien de fois sunu préfet yi di interdire li nga xamante ni les manifestations lan la ñu doon wax dafa am yeneen force occulte yu leen infiltrer les djihadistes sont aux portes du Sénégal L'une ne yàgg nañ ko fi dégg tey ñu bëgg a bëgg considérer par perte et profit li nga xamanteni mom mo fi jaaroon en tout cas ñun département de Keur Massar ñu faté ñun commune de Yembal Yëmbal ñu faté Moussa Dramé 35 ans Dofane Bay Cheikh Diop 17 ans Yembal Pape Sidi Ndiaye 20 ans Keur Massar Alassane Bari 17 ans Dakar Famara Goudiaby 20 ans Bignona Cheikh Wad 20 ans Dakar Massiré Gueye 25 ans Diamaguène Masour Cham 20 ans Dakar Cheikh Koli 20 ans Bignona Cheikh Ndiaye 22 ans Dakar Sadio Kamara 18 ans Djaoubé. Bounama Sanya, 12 ans Bignona Abdoulaye Mané 18 ans Bignona pour ne citer que cela rien que pour la mémoire de ces défunts j'estime que avant ñuy wax waxi amnistie on devait d'abord régler le problème pour situer les responsabilités oui à l'amnistie mais situons les responsabilités d'abord une information judiciaire a été ouverte le dossier yi waxaguñu kan mo def lan waxaguñu kan moy kan nous bëgg ni lañu fàtte bala ñoo fàtte dañuy xam lan d'accord ci loi d'amnistie boo les responsabilités n'ont pas encore été situées du haut de cette tribune des personnalités de la République du Sénégal défilé nañu fi je veux taquiner mon frère Abdou le ministre Omar Yum, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr lan lañu wax yéen député yeewi askan wi yéenay brigand yi yéenay bandi yi yéenay théoriser li nga xamante ni mooy kaw reconstruction tey aujourd'hui ñu bëgg ñu gëmloo ni loolu yëpp dañ koy considérer par perte et profit oui nañu fàtte mais nañ ñu setal moo gën li nga xamante ni ñu jéem a fàtte nañ ñu setal parce que dañ ñu jiñoon ni li xewoon ci dëkk bi yëpp ñun ñoo ko indi man bala nga may baal da nga may setal ba pare moo ma gënal nga may baal ci loo xamante ni defuma ko euh, Madame la ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mon frère Barthélémy m'a rappelé il y a 15 jours quelque chose de très important. J'étais avec le président Abdoulaye Wade, responsable, euh, des jeunes du PDS, Jacques-Carlo Agnom, fille qui place Soweto, 23 juin. Vous étiez à quelques encablures du palais de la République, à 400 mètres du palais, dans la zone rouge de la République du Sénégal. Une manifestation qui a duré 8 heures de temps zéro mort. Quatre jours après, les émeutes de l'électricité le 27 juin, durant toute une nuit, les forces de défense et de sécurité, zéro mort. Nous avons eu des manifestations, nous avons eu des balles, nous avons donc, bala ñoo wax waxi nous nañu d'abord les responsabilités monsieur le président de la république vous n'avez pas besoin de ça vous avez raté votre sortie vous êtes en train de rouler à 180 à l'heure jub angle 45 degré ci une distance de 20 mètres so deful ndank da ngay tënu je vous remercie. La parole est à notre collègue Mansour Kebe suivi de Awa Diène. Assalamu alaikum, euh, monsieur le président de l'Assemblée nationale madame la ministre et vos collaborateurs pour le